Saisissant l'opportunité que m'offre cette dynamique, je voudrais du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président, convoquer l'histoire du Sénégal et lui trouver sa place dans la diplomatie de notre pays. Il s'agit du retour, de la restitution, je devais dire, des cendres de notre compatriote Sidi le Diop. Avant de présenter cette requête, qui, je pense, revêt la plus haute importance pour le Sénégal et au-delà pour l'Afrique. Je voudrais saluer la mémoire du professeur Amidou et lui rendre hommage car il a porté ce projet jusqu'à son dernier jour. Pour revenir à l'objet de ma demande, Sidia de fut baptisé Sidia Léon Diop par FEDER, qui l'adopta et l'envoya à l'école des otages de Saint-Louis, puis au lycée impérial d'Alger. Il est né deux ans après l'accession au trône de sa mère Yalla Mbodj, qui succéda à sa sœur Ndiembet et fut installée le 1er octobre 1846 à Nder. C'est en 1858, alors qu'il n'avait que 10 ans, qu'il fut nommé chef de cercle de, de Il était élève et son cousin Yakumba exerçait alors en son nom en attendant qu'il soit en âge de prendre son commandement. Il fut nommé chef supérieur du Wallo le 24 mai 1871. Il est certes, monsieur le ministre, originaire du Wallo, mais Sidia est un héros national, apparenté à toutes les régions par sa mère, mais aussi son père, le prince Bétudio Diop Bien qu'il soit formé à l'école française, il fut le premier nationaliste à comprendre l'enjeu de la colonisation. La colonisation ne mène jamais à l'émergence soutenu par son cousin Elifat Fatim Eli prince du il écrivait à tous les chefs indigènes de l'époque pour former une coalition afin de freiner la domination coloniale. Il fut trahi et capturé. Il fut déporté au Gabon le 23 février 1876. Sa mort annoncée le 22 août 1876 à Nengenenge, au Gabon, reste une nébuleuse car la thèse du suicide improbable à bien des égards fut avancée. Monsieur le ministre, le retour de ces cendres au Sénégal est symbolique et sera un tournant décisif dans l'histoire du Sénégal et de l'Afrique. Nous pouvions l'évoquer lors du passage du ministre de la Culture, mais de notre point de vue, ce retour est une question de souveraineté nationale. Monsieur le ministre, euh, si dire ndate pas héros national la terre,

ci sama xalaat moom moo nu yóbbu ci émergence fii ci assemblée nationale nag ñu ngi fiy door a wax waxu Sidy monsieur le président de l' nationale. mu nekk tey ci minutu assemblée nationale parce que assemblée nationale affaire colon yi la woon donc kenn sañu fi woon tudd Sidy loolu it benn point la tey ci ni ñoom moom suñu bopp. dellu si gi nga xam ne nag moom lañ koy dellusee ndax ni mu demee ak ni mu firndoo woon ni domination coloniale bi du yóbbu Séné du Sénégal fenn. ba tax mu bañoon ko tey du waalo rek moo war a jóg pour laaj ko mais Sénégal yëpp ba Afrique ndax Eli Njëmbët mi nga xam ne mooy doomu tantam te mu nekkoon buuru Trarza seen ñaari yaay bokk ndey ak bàyyi njëmbët ak ndate kon monsieur le ministre tey su fekkee ne universitaires yi ñëpp jóg nañ taxaw di laaj euh, ñu ngeen dimbali ñu gouvernement bi dimbali ñu ñu di la yónni ci président de la république ni ko gannaaw bi nga xamee ni saabu Cheikh Omar bi ñëw na parce que loolu dafa symbolique loolu mooy. France nangu na ni moomatuñu loolu mooy France nangu na ne mu ñu yoree loon dinañu ko delloo loolu mooy ñun jëlaat nañu suñu bopp moomaat nañu suñu bopp dinañ jël suñu jaboot jël li ñu am je vous remercie monsieur le président.